certainement image itam la nous dañu que depuis semaine passée dafa euh, un promoteur du nom de Damka a mis en dafay dugal ay camion conteneurs di pour euh, exportation donc on a été surpris on s'est rapproché aussi de de la mairie de HLM on a appelé le premier adjoint au maire M. Seydi pour l'aide exactement qu'est-ce qui se passe pourquoi nous avons mairie HLM maire louer comme un magasin il m'a fait comprendre que nous, ils n'ont rien donné et donc ils étaient pas au courant mais le jour où ko le week-end passé ils ont sommé le gars monsieur Damka à que mu quitter les lieux ak bagage bagages ak tous les conteneurs donc nous, euh, on a constaté que ni loolu nee nañ à 18 h mais on a vu ku xool ci ginnaaw gis na ni ñu ngi continuer di liggéey ba léegi donc donc ça veut dire que duñu génn mais c'est anormal du ça li anormal moy une institution maire bi même su n'est ni parégul mais c'est l'institution de la commune parce que li la maire la population bi mom maire bi fi actuellement daf ko louer. donc louer ko mu une charge supplémentaire la population C'est anormal té ñun on avait su devant le maire Pape sec, mom mu waxo ñu maire bi dafa am contentieux entre euh, maire bi ak le promoteur bi tabac. Donc, tabax donc yow pas un en contentieux avec un promoteur bu waroon tabax te bi waroon a tabax euh, euh, maire bi tabaxu nga ñëwaat yow un autre promoteur nga jox ko ko mu koy utiliser à un entrepôt le même le le même promoteur à un mu mu nekk à un entrepôt Lol, lol, c'est illégal donc HLM le malheur moi, en fait finalement maire bi ñu dafa a population bi maire bi moo ñu parce que on comprend plus Dame, ka jox nañ ko fi suñu pavage jox nañ ko fi marché foire HLM pendant trois ans, de 2007 à 19, 2019. Il a fait six fois. Il devait faire des pavés. yu 3600 mètres carrés yoo xamante ne da doon nekk allée Seydou Nourou Tall ba garage yu il l'a fait avec de très mauvaises qualités waxatuñu loolu àggalewul àggalewul pavage bu normalement Lié de culture, yi moo doon defar defaruñu ko six ans trois six fois yi moo doon def jeexal na il nous revient le même promoteur avec la complicité de la mairie d'utiliser notre mairie comme entrepôt de d'empotage mais c'est irrespectueux à la population des HLM donc lors ce qui où suñu donc on est venu avec pas mal de membres du groupe de HLM ma commune avec euh, un conseiller de la commune M. Ndiaga Il y a tant d'autres conseillers qui ont été peut-être dañu am contre-temps, mais c'est ce qui est bi HLM mairie nous nañu jox population Nous avons une population mënuñu chaque fois chaque fois c'est la même chose koo si koo si approché muy Pape sec, muy Seydi muy Babacar Diop quiconque danaan j'étais pas au courant qui ose man maam bi jaw ma ñëw si maire bu mel nii tabax maire yi dugal fi ay conteneurs ak ay camions di def sama liggéey te aw autorisation maire bi xam nga à qui se fier actuellement ça veut dire que ni HLM mais loolu mooy question ça veut dire que ni maire bi amatul sax administration c'est ça le problème institution bu toll un bâtiment bu toll gardien pavage municipal bi municipal les voitures enlevées sur le trottoir euh, en bien donc quel est le problème Nous fourrière ay te nous sécurité nous, on réclame au maire de dire aux promoteurs de quitter les lieux. S'il veut faire du business, il n'a qu'à faire son business, mais il n'a qu'à aller louer des magasins proprement dit def business. Personne n'a ce qu'il faire. Il n'a ce qu'il faire, mais il qu'à faire dans les règles de l'art. Mais, mais, il y a un grand mais. C'est comme si c'est le dame qui est le maire des HLM. Parce que dame ose tout faire dans cette, dans cette commune-là, et ce ne fait. Il prend des marchés, donc il faire dans les règles de l'art nous demander pour nous faire le ko nous jox la ay chantiers yoo tabax ko tabax nga utiliser les mêmes chantiers là pour utiliser ce business il a le droit de faire l'exportation du riz il a les autorisations de l'administration sénégalaise c'est son propre droit mais nous dem loué ji de magasin def business et bàyyi maire et qu'on demande solennellement au maire des HLM Nous defaraat maire bii Nous pour l'intérêt de la population des HLM pour l'intérêt de tout le monde je vous remercie. on lit comme notre population bi bien, dañoo xëy comme ni ko coordonnateur waxee dañoo xëy rek gis ko bi ñu demee à la source la mairie comme d'habitude rek ne yëgul dara mais liñ si gën a metti mooy fii dañu ne woon kenn du ko laal on a vu ñu def élévation mur gis ay conteneur yi ñu fiy teg en ce moment ñu ngi loué benn euh, mairie fële di si fay presque un million cinq loué encore commissariat te lii boo ko xoolee lu bëri xajoon na fi

mën nañ la citer lieux yi nga xam ne respecté wul engagement envers FOF. te li ñu siy gën a métti à chaque fois conseil municipal da ngay taxaw ngay dénoncer loo xam ne du intérêt HLM nit ñi duñ la suivre il faut que li ma waxoon léegi rek les conseillers municipaux jël leur responsabilité man sama sens appel foofu Kibi, kii bi euh, pavage yi biñ ko doon xeex xeex nañ ñu délibéré d'accord nañ waa ji dem na ba fin contrat moo tax ñu génnaat di wax léegi nag bu ñu gisee ñu joxaat ko yeneen yoo xam ne conseil municipal yëgul dañuy génn ñu wax ko balaa lu ñu daloon di ñu dalaat parce que nee nañu xaw ma ku bukki màtt xaw ma lan la rek ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw mhm. bon ñu ni ni li théâtre kat bi di wax rek ñung ngi koy mbawti mbawte xawma ñung ñu koy wax ci souf mais ñun liñ ñu leen di wax rek moy la population des HLM d'accord ñu pour foire bi en ces périodes de Covid 19. parce que tout l'on sait que ni cas communautaire yi ñu ngi fi te marché HLM c'est un lieu de rencontre bo xamni ne nit ñi fu nekk la ñuy di fa di fa di fa fréquenter loolu les les gestes barrières ne sont pas respectés là-bas. Merci, merci.